nous sommes des jeunes médecins qui ont leur diplôme en main, mais qui sont plutôt dans le privé, dans les ONG internationales en train de travailler. Voilà un devoir qui nous appelle et que face à cette pandémie, nous devons être les soldats de la République. Nous sommes engagés volontairement pour aider les autorités sanitaires euh, dans la prévention et même dans la prise en charge de cette terrible maladie qui, il faut le rappeler, existe réellement. Alors, le rôle, euh, il est vaste parce que qui dit médecin dit euh, rôle de prévention, de suivi, de sensibilisation, dit aussi rôle de traitement à travers la prise en charge. Parce que euh, parmi nous, il y a beaucoup de spécialités. Donc toutes ces compétences peuvent être utilisées